le forum du studio Kalangu, le forum du studio le forum du studio Kalangu. heures passées de 17 minutes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Forum du Studio Kalangou. Istudio Kalangu que vous écoutez grâce au réseau des radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux de région du Niger, pareil dans les localités d'Arlit, de Kirozérine, de Menesoroa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Birningaure, Dolbel et Saï. Le forum de ce soir a pour thème principal la marche de protestation organisée le 4 février 2017. Quel impact et quelles conséquences Pour discuter de ce sujet, nous avons invité trois personnes. La première personne fait partie des membres de la société civile qui ont organisé cette marche. Il s'agit de Michael Zodi, coordinateur national de l'association Tournons la page TLP Niger. Bonsoir Michael Zodi. Mm, bonsoir. Le second invité appartient à la mouvance présidentielle. Lui, c'est Siraji Saka, chargé à la communication du bureau politique du MPR Jamouria. Bonsoir Siraji. Bonsoir monsieur. Et merci d'être venu. Merci bien. Nous avions également sollicité un représentant de la Commission nationale des droits de l'homme, organe qui s'intéresse entre autres aux questions de justice sociale. La CNDH nous a fait savoir que la personne désignée n'est pas disponible. Bonsoir à tous. Notre forum d'aujourd'hui traite essentiellement des suites de la marche de protestation du 4 février dernier. Cela dit, il vous souviendra que le samedi 4 février dernier, plusieurs organisations de la société civile ont organisé une marche suivie de meetings. On prépare également à cette marche des militants des partis politiques de l'opposition et ceux des non-affiliés. Objectif dénoncer ce qu'ils ont appelé, je cite, la mauvaise gouvernance du régime du président Issoufou Mamadou. Fin de citation. Je m'en vais commencer avec vous, Michael Zodi. Vous êtes le coordinateur national de l'association dénommée Tournons la page et vous faites partie des acteurs de la société civile qui ont organisé la marche du 4 février dernier. L'on se souvient qu'après la première marche de la société civile en date du 21 décembre 2016, quelques voix se sont levées pour dire qu'il s'agit d'une marche pilotée par une opposition tapie dans l'ombre. Alors, les partis politiques, en rejoignant votre marche du samedi passé, est-ce qu'ils ne confirment pas que la société civile est de connivence avec l'opposition euh, merci, le studio Klangou, et permettez-moi avant tout de vous féliciter parce qu'aujourd'hui, au niveau de la société civile, nous nous réjouissons des activités du studio Klangou parce qu'aujourd'hui, notre voix porte loin euh, dans les communes rurales. Merci beaucoup, studio Klangou. Et effectivement, cette question de la participation de l'opposition ou bien des non-affiliés à notre manifestation, il faudrait rappeler que notre mouvement, c'est un mouvement social et nous avons demandé à tous les citoyens de sortir. Au-delà de l'opposition et aussi eh, des non-affiliés, la majorité, certains militants de la majorité qui sont convaincus de ce que nous sommes en train de faire sont sortis. Parce que eh, le terme Taïtauri, ça touche tout le monde. Ça touche, qu'est-ce qu'il soit de la majorité, qu'est-ce qu'il soit de l'opposition, ça touche tout le monde. Donc notre thème est convaincant et notre plateforme revendicative est là où nous disons non à la corruption, non au détournement des données publiques et un certain nombre de choses que nous avons mis dans un document. C'est ce qui a convaincu effectivement les citoyens. Moi, je vois en face de moi des citoyens qui étaient sortis et non une coloration politique. Au-delà de là, dans l'organisation, effectivement, nous avons adressé des lettres d'invitation, même à la majorité, pour, pour, participer. pour, participer. à la manifestation. Donc, toutes les structures organisées, que ce soit de la société civile, que ce soit des structures politiques, nous avons envoyé des lettres d'invitation où nous avons demandé aux gens, effectivement, de se mobiliser et de venir à cette manifestation. effectivement, nous réjouissons du nombre de citoyens qui étaient sortis. Nous allons y revenir et je vais me tourner vers notre deuxième invité, Siraj Isaka. Vous êtes le chargé à la communication du bureau politique du MPR Jamhouria. Jamhouria, un parti allié à la majorité au pouvoir. Alors, quelle première lecture vous, vous faites euh, de cette marche du 4 février dernier Merci. Comme euh, lui a eu à dire, donc nous vous remercions de cette occasion que vous nous avez euh, donnée de donner notre point de vue par rapport à cette marche de l'opposition. Donc, euh, un peu maquée par euh, la société civile, c'est au fait ça la, pertinence de la démocratie nigérienne. Euh, notre perception de cette manifestation, nous sommes en face des acteurs de la société civile qui, au lieu d'élaborer leur plateforme revendicative et faire face au gouvernement pour traiter ou bien pour chercher une solution par rapport aux préoccupations qu'ils ont soulevées, non, pour eux, c'est la rue, c'est-à-dire euh, faire une pression à euh, caractère euh, un peu putiste, donc avec des mots extrêmement durs, non tolérables en démocratie. Parce que certainement, vous avez fait le tour des réseaux sociaux, vous avez vu ce qu'un certain nombre de nos concitoyens disent à propos même du chef de l'État. Je considère ça pas de la société civile parce que souvent, c'est des attaques extrêmement ciblées à des acteurs politiques bien pour, Pour vous, les revendications ne doivent pas se faire. S'il y a quand vous élaborez votre plate, ils savent très bien les acteurs de la société civile, en hein, combat par le président Maïkoul. On a fait cette lutte en 2005 et ça a été totalement transparent à l'époque. Le gouvernement était obligé d'appeler la société civile suite donc au combat mené à la vie chère, un certain nombre de choses que la société civile a décriées. Mais à travers des marches d'abord. À l'époque, ils ont manifesté tellement que c'est pertinent à l'époque. Le, le président Tanja à l'époque a instruit le gouvernement à trouver une solution par rapport aux préoccupations de la société civile. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, leur préoccupations ne consiste même pas à dialoguer avec le gouvernement. Non, leur préoccupation, se faire en sorte que le régime tombe. C'est ce qu'on refuse en démocratie. On ne, va, pas leur permettre cette occasion de ah. faire un putsch ou bien une insurrection populaire. Alors nous allons revenir avec Michael Zodi pour nous dire cette fois-ci, euh, de nous euh, euh, dresser un bref aperçu des revendications posées lors de euh, cette marche et des reproches que vous, acteurs de la société civile et tous ceux qui sont sortis, des reproches que vous, vous formulez à, l'encontre du, du régime en place euh, vous savez, <laughs> euh, j'ai bien écouté mon petit frère, mon jeune frère <laughs> Siraj Issa, avec lequel effectivement on a partagé un peu le combat en 2005. Mais ce qu'il oublie, en 2005, quand on a commencé ce combat-là, nous, nous étions devant ses mentors. Euh, le président Issouf était derrière nous. À l'époque, il était à l'opposition. On marchait et c'était la démocratie qui nous autorise ça. Et une manifestation de rue, c'est constitutionnel. C'est au-delà du président de la République et ce qui l'entoure. C'est au-delà d'un certain nombre de partis politiques de la majorité constitutionnelle, constitutionnel. Nous avons le droit. Et quand nous avons élaboré cette plateforme revendicative, effectivement, j'ai constaté qu'il n'a pas pris le soin de bien regarder cette plateforme revendicative. Qu'est-ce que, cette plateforme revendicative comporte Aujourd'hui, la lutte contre, je dis bien, le détournement des données publics, c'est une chose, c'est objectif normalement, et, ce si c'est pas que effectivement <laughs> mon, camarade, mon ancien camarade de la société civile a pris une coloration, je pense bien qu'il pouvait, ça doit être leur cheval de bataille, la lutte contre euh, le, détournement des données publics. Il y a aussi le cas de la corruption. Et aujourd'hui, rien n'est fait. Et nous nous réjouissons de constater effectivement notre manifestation en train de porter, ses fruits. Parce que aujourd'hui, je dis bien, je dis nous allons revenir par rapport aux impacts, par rapport à euh, c'est que ces, marches, ces manifestations sont en train d'amener comme conséquence. Mais là, on voudrait que vous nous dressiez un tableau quand même de quelques revendications clés. Euh, donc je disais, en dehors, de je prends, par exemple, je prends par exemple euh, euh, euh, l'impérialisme. Aujourd'hui, l'installation des bases militaires ici au Niger, nous sommes contre. Et nous voulons à que notre armée soit dotée de moyens conséquents pour faire face à l'insécurité. Et nous sommes contre effectivement la bolorisation de notre commerce, de notre économie. Qu'est-ce que cela signifie la bolorisation La bolorisation, c'est-à-dire que Bolloré est en train de prendre le terrain, les terrains au détriment des Nigériens, des autochtones de, que nous, nous sommes. Aujourd'hui, vous avez constaté pour embellir la ville combien de combien de boutiques ont été fracassées par un militant même du, du et de, Jamouria, le gouverneur de Niamey. Donc, il faut voir comment on est en train de détruire notre tissu économique à travers effectivement des actions. Au-delà de ça, vous avez constaté que le président de la République est plus à l'écoute de, de, de, de la communauté internationale, c'est-à-dire l'Europe, que, du Niger. Vous avez vu les mesures qu'il est en train de prendre contre effectivement l'immigration, c'est-à-dire euh, la mobilité des citoyens de, de la CDAO. Au-delà de ça, vous avez constaté des concours qui ont été annulés. Les concours, annulés, ce ne sont pas les fils du pauvre qui ont fait euh, en sorte que les concours sont annulés, mais plutôt les hauts responsables qui ont créé les conditions d'une fraude pour amener leurs militants et les placer. Donc tout ça, là, nous luttons contre ça. Et je dis bien, il faudrait que les gens comprennent. Aujourd'hui, on nous empêche de, manifester. C'est-à-dire la démocratie est en péril dans ces conditions parce que le, ce qu'eux, ils ont eu à faire. Je me rappelle, en 2005, nous avons marché avec Mahmoud Soufou derrière. On a été jusqu'à jusqu'à la présidence pour remettre notre mémorandum. Aujourd'hui, on nous empêche. On crée les conditions pour que nous ne puissions pas mobiliser. Mais vous euh, avez bien marché le 4 février. nous avons bien marché le 4 février, mais ce n'était pas notre itinéraire. Nous nous sommes conformés seulement à l'ordonnance du juge. Donc, c'est pour vous dire que notre combat, c'est au-delà, effectivement, des petites considérations politique. Notre combat, c'est pour que le Niger aille bien. Et aujourd'hui, si ceux qui dirigent prennent le soin pour regarder, pour regarder simplement, tout simplement, notre plateforme revendicative, ils vont comprendre qu'effectivement, nous ne demandons pas le départ de Mohamed Issoufou dans notre plateforme revendicative. Nous n'avons jamais, dit ça. Mais quand dans la foule, effectivement, les gens euh, demandent, ça c'est vrai, nous avons mobilisé les gens, mais ce n'est pas, euh, pas notre responsabilité, c'est de leur responsabilité individuelle. Il faudrait que vous compreniez ça. Et notre combat, c'est au-delà, effectivement, alors, des petites considérations politiques. D'accord, nous allons euh, avec euh, notre euh, invité Siraji Isaka. Alors, Siraji, nous venons de l'écouter avec quelques, quelques revendications citées. D'abord, qu'est-ce que vous répondez à... Merci. En termes de recrimination de mon camarade Maïkoul, je lui donne une explication de manière tellement scientifique. Lorsqu'il accuse le régime de vouloir implanter une base militaire dans ce pays, il n'y a aucune base militaire sur le territoire nigérien. Même ça, pas, il hein? ça soit base militaire. Quand on parle de base militaire, moi je voudrais qu'on fasse un débat constructif pour que ceux qui nous écoutent comprennent parfaitement l'enjeu de la question. On parle de bases militaires lorsqu'un pays entier, par exemple les États-Unis, la France, envoie un contingent de militaires par exemple à hauteur de milliers, pour faire des opérations pratiques de ratissage, ainsi de suite, pour peut-être contrecarrer des intérêts. Ça, on n'est pas dans ce schéma-là. Aucune base militaire ne présente dans ce pays. Et le Niger, madame, c'est quoi le Niger, comme n'importe quel pays, a des, accords de défense avec certains pays, avec, euh, notamment ici en Afrique, aux États-Unis et en France. Et ça, un État maintenant dans l'évolution du terrorisme, est obligé d'avoir des accords, euh, des accords militaires pour surveiller la migration de ces terroristes qui cherchent comme ça à déstabiliser les États. Par conséquent, moi je trouve et je l'invite à s'informer davantage sur ce qui s'est passé, un effort incroyable qui est en train de se déployer pour garantir la sécurité de notre zone, de, notre zone euh, nord, précisément. Comme, comme vous le savez, le Niger est un pays extrêmement vaste. Ça, il faut, il faut une convention ou bien des, accords militaires. Alors pour, la question des bases militaires, ça n'existe pas. Deuxièmement, lorsqu'il parle de détournement, nous sommes pleinement impliqués dans ce processus, le détournement des deniers publics. Personne, il n'y a aucun citoyen qui va dire qu'aujourd'hui, il est contre. Nous sommes de ceux qui sont pour cette opération. Vous avez entendu, vous êtes de la presse. Il y a une opération qui est en cours, qu'on appelle Meboula en, en cette opération touche pratiquement tous ceux qui ont détourné les deniers publics. elle est récente, cette opération. elle, est récente. elle est récente. mais elle est en cours. Je voudrais les rassurer. Tous ceux qui savent et qui ont peut-être quelque part euh, des responsabilités en matière de détournement des deniers publics vont rendre gauche. Ça, c'est naturel, c'est clair. Et qu'ils se rassurent que ce combat sera maintenu et nous, avons fait pression avec eux pour que ce processus donc, qui est en cours de moralisation de la vie publique soit, une réalité de notre pays. Pour encore répondre par rapport donc, à une. À ce que je toujours qualifié que ce n'est pas une société civile. Hein, non non, si vous regardez le combat et l'objectif, c'est-à-dire lorsque c'est une société civile réelle qui pose des revendications totalement sociales, elle est obligée de faire face au gouvernement pour demander de, créer les conditions pour une discussion éventuelle et chercher à corriger au fait les, les, les incorrections, sinon le problème soulevé par la société civile. Mais à ce niveau, ce n'est plus ça. C'est dans la rue, donc on, fait une manifestation avec des gens qui, parachutent de mots extrêmement... Euh, c'est pitoyable, quoi, dans une démocratie, que les gens qui, qui, attaquent personnellement les responsables politiques, moi je pense qu'on doit éviter des choses comme ça. Et sciemment, on fait, il y a de ceux qui sont spécialistes d'enregistrer cela et balancer dans les réseaux sociaux. Ah. Mais comment voulez-vous qu'on accepte que ce n'est pas pour but insurrectionnel ah. Moi, je crois que si c'est de la société civile, on ne doit pas cultiver la haine ah. qui développé ah, aujourd'hui à travers ah. ces manifestations-là. Euh, Michael, vous, euh, qu'est-ce que vous voulez dire Il dit qu'il n'y a aucune base militaire euh, sur, sur le terrain. Euh, moi, je pense bien qu'il ne faudrait pas qu'on fasse des, jeux de mots. C'est-à-dire, euh, là. Rapidement. Euh, rapidement, c'est juste pour dire à Siraj, bon, moi, je suis gêné, effectivement, qu'il parle qu'il n'y a pas de base militaire et tout ça là, alors qu'eux-mêmes, ils revendiquent, ils disent qu'ils ont une base militaire. La France dit qu'elle a une base militaire. les États-Unis disent qu'ils ont une base militaire. Et l'Allemagne, même, le terme qu'ils ont utilisé, c'est toujours base militaire. Et la Russie est en train de faire des Je ne comprends pas. Et ces bases militaires, les HIC, moi, le problème, c'est que les bases militaires sont là pour protéger les intérêts des Occidentaux. Et, et le problème, nos dirigeants, actuels sont en train de créer les conditions pour protéger les intérêts français, pour protéger les intérêts américains, pour protéger les intérêts allemands, mais pas les intérêts de leur propre peuple. Parce qu'aujourd'hui, les bases sont là, les militaires sont là, l'armement est là, mais jusque-là, les terroristes continuent à nous attaquer. Jusque-là, il y a effectivement où se situe la défense. Si aujourd'hui, les mines de Areva sont touchées, vous allez constater que les Français vont agir. Donc, il faudrait que, il faudrait que bon, vraiment. Qu'en est-il des autres revendications, des, autres... Parler, euh, euh, de cette question de base militaires. Et je vais vous dire, et, il, dit une insurrection, tout ça. Là. Je pense mais que je l'invite à lire le préambule de la Constitution. Là, il pouvait comprendre que dit le préambule de la Constitution. C'est nous, le peuple, qui nous, euh, nous sommes donné ce choix de démocratie. Donc, et, donc ce n'est pas, effectivement, ce n'est pas antidémocratique le fait que le peuple sorte. Le peuple est sorti il a attiré l'attention du gouvernement. Le peuple est sorti, il a demandé au gouvernement d'échanger. Et même l'opération là je vais vous dire une chose. Moi, je veux croire à l'opération là, quand le président de la République va commencer à arrêter sa propre femme qui est impliquée dans l'affaire du concours annulé. Je veux croire à l'opération là, quand le président de la République va créer les conditions de priger son entourage. La du président de la République est devenue un refuge des délinquants. Je vais vous dire une chose. je veux vous étayer. Écoute-moi. Vous savez l'affaire de la douane euh, qui, est, actuellement au niveau du procureur. Il y a plus de 360 dossiers qui sont déposés sur le, bureau du procureur. Mais rien n'est fait. Euh, l'affaire de Caïma, où on arrête le DAF, le, le, le, le, DG de Caïman est là assis tranquillement et le DAF est arrêté pour dire que ah, il a détourné. Alors que l'ordinateur des dépenses, celui qui ordonne les dépenses, est là, il continue à gérer. Comment ces deux points de mesure, Nous ne croyons pas, c'est un feu de paille. C'est juste pour émousser notre mouvement. Et j'estime que le peuple est averti, le peuple est convaincu de ce qu'il est en train de faire. Et Inch'Allah, vous allez voir en face de vous le peuple qui Nous allons avancer. Hum. Euh, euh, rapidement, une, réaction avant qu'on avance. La réaction que je voudrais, je voudrais rassurer euh, le président Michael Zodi que lorsqu'une opération est en cours, on ne doit pas la stigmatiser ou non dire bon systématiquement qu'on n'a pas confiance. Moi, je pense que quand on fait, c'est comme si on a déjà eu l'intention, on a déjà projeté que bon, on ne, on ne croyait pas. Ce n'est pas bon. Il y a des choses qui sont en train de se passer dans ce pays par rapport à ceux qui ont détourné les ressources, les ressources de l'État. Cette opération, moi, je pense très bien, je crois. Et je continue à croire que tous ceux qui ont détourné, d'une manière ou d'une autre, les biens publics, ils doivent rendre compte. Le processus, malheureusement, est un peu lent. On voudrait juste, moi-même qui, suis en train de parler, je souhaiterais tellement que ça soit, ça soit, ça soit, ça soit de la manière la plus rapide. Même si ça doit toucher l'un de vos. mais c'est très clair. Donc, on, nous, dans notre conception de la politique, nous on a fait le choix de dire que nous sommes un mouvement patriotique pour la République. Par conséquent, un patriote ne peut pas accepter de supporter des voleurs. C'est pour cela qu'à l'intérieur même de la majorité, nous encourageons le chef de l'État à faire de cette affaire une priorité de, son, de, ses actions, qu'il fasse en sorte que tous ceux qui ont pris quelque chose au niveau de, de, de, de l'État puisse vraiment rendre, rendre, rendre, rendre compte. D'accord, nous allons avancer. Je voudrais juste signaler que euh, le même jour, la Commission nationale des droits humains a publié euh, donc un communiqué de presse et dans ce communiqué, la CNDH a, pu, a, passé en revue la lutte contre la corruption, dont elle se félicite d'ailleurs des efforts fournis ces derniers temps par le gouvernement pour faire payer les personnes concernées. S'agissant de la situation de l'école, elle exprime toute sa préoccupation et appelle les différentes parties au dialogue pour ce qui est des agents des municipaux de la ville de Niamey qui accusent sept mois d'arriéré de salaire, la CNDH exhorte les employeurs à se conformer à la réglementation en vigueur. Alors, euh, euh, on va avec vous, euh, Isiraj Merci. Euh, quel commentaire vous faites de, ce communiqué de non, la CNDH Non, c'est responsable. Donc, la CNDH a, effectivement ce rôle-là, c'est son devoir lorsqu'elle constate quelque chose dans la gouvernance qui n'est pas totalement euh, correct correcte de publier de communiquer pour attirer l'attention du gouvernement pour corriger. Par rapport donc au second point de la, situation des agents de la mairie, elle a très bien précisé que les employeurs Or, dans les systèmes, je voudrais qu'on m'accorde juste une seule minute sans interruption pour tenter d'apporter des, réponses. Parce que lorsque quelqu'un prend quelqu'un pour travailler, c'est-à-dire un employeur et un employé, suppose qu'à l'intérieur, il y a un budget c'est une prévision qui a effectivement autorisé de prendre la personne. C'est-à-dire, lorsque moi, j'ai la capacité de recruter, par exemple, 50 personnes, je dois prévoir le budget de l'année 50 personnes. Mais lorsque je prends, par exemple, 400 personnes au lieu de 50 personnes, obligatoirement, il y aura un déséquilibre. Et on va rentrer dans une situation de difficulté. or, il faut noter que cette situation de la mairie, il y a un processus dans notre pays qui est en cours de la décentralisation, c'est-à-dire les communes sont gérées par un conseil. À l'intérieur du conseil, on procède à élire un maire qui est l'organe exécutif de la mairie. Lorsque aujourd'hui on constate, par exemple, ce qui se passe au niveau de la ville de Niamey, vraiment c'est regrettable. Moi, je ne souhaite pas que de pères de famille, des femmes, nos mères, au fait, sont touchés par ce problème de paiement de salaire. Ce n'est pas bon, ce n'est pas souhaitable. Mais ce qu'il faut demain dire, effectivement, c'est par rapport à ces, cette politique fait, extrêmement du, du, du, cette politique de faire en sorte que. Alors qui est euh, responsable le, maire central, le maire central, le gouvernement n'est pas responsable, vous voulez Moi, de mon point de vue, parce qu'il n'y a pas une seule mairie au Niger, il y a une quantité. Le mairie, le mairie de, cas ils, sont, ils sont quatre. Moi, c'est qui continue à me, Pourquoi c'est le cas de Niamey qui aille, il revient Sept mois Sept mois de salaire, là, à mon sens, je pense que c'est un problème de responsabilité au niveau de la mairie. Si le maire n'est pas capable de, détenir tenir ses engagements, il y a des procédures pour l'évacuer. C'est tout. Donc on ne doit pas chercher à imputer la faute donc à un autre niveau. C'est à un niveau bien précis. C'est comme dans une entreprise. Aujourd'hui, euh, c'est comme dans une entreprise. Permettez-moi de finir ça. une entreprise qui n'est pas capable de payer les salaires. Désolé, le temps file. Nous allons revenir par rapport à, cela. Et euh, je voulais que vous réagissiez d'abord sur le communiqué de, la CNDH avant peut-être de, de, répondre à On dirait que la commission a réussi notre euh, plateforme communicative Effectivement, dans le secteur éducatif, ça ne va pas. Même aujourd'hui, vous avez constaté que les enseignants sont en train d'observer des grèves, euh, une grève de 72 heures. Donc, ça ne va pas dans le secteur éducatif. Et nous tendons vers une année blanche au moment où ils sont là en train de, de regarder et voyager à tort à travers dans euh, les autres pays. Alors que ces ressources qu'ils utilisaient là pouvaient régler la question de l'éducation. Effectivement, ça se trouve dans notre plateforme éducative. Maintenant, par rapport aux, agents de la mairie, je voulais effectivement que mon mon ami et mon frère Siraj Issa puisse lire. Siraj puisse lire le code de collectivité. générales. Donc c'est pour vous dire que le maire central, ce n'est pas que je suis là pour le défendre, mais le maire central n'a pas de possibilité, d'autant plus qu'il verse d'abord l'argent au niveau du trésor public. C'est au niveau du trésor public qu'effectivement, il y a la prise en compte de son budget pour même payer effectivement ses les salaires. Donc c'est au niveau du trésor que c'est bloqué. Et je vous informe que chaque mois, les agents de la mairie, la mairie de Niamey a amené près de 10 milliards dans les comptes du, trésor public. Donc, donc ce n'est pas à lui de prendre l'argent directement, automatiquement et gérer, mais il faudrait que le gouvernement décaisse l'argent pour lui donner, pour payer. Donc la faute, c'est tout le système c'est tout le système. Et les gouvernants, le premier ministre, a commencé par le premier ministre, voire le, le, le, maire central. Donc la faute l'air encombre. Aucun COPEC ne devrait être utilisé par le maire avant de reverser tout à, au trésor public. Et jusque-là, il y a combien de milliards que le, trésor n'a pas versé à la mairie. Donc regardez, dans un Niger où les choses évoluent, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'arriérés de, de salaire. Aujourd'hui, on a des, des, des, pères de famille qui ont 8 mois d'arriérés. Ce n'est pas seulement à la mairie de, de Niamey, je vous informe. C'est même à la mairie des, des Anders, ils ont des de Il faut vous renseigner, camarade Siraji Et, et, et, ces problèmes-là, c'est récurrent. Au fait, jusque-là, je pense bien que euh, euh, euh, notre régime est dans une difficulté économique, une difficulté financière, qu'ils ne peuvent pas sortir et expliquer aux populations pour que nous, nous puissions comprendre que vous êtes en difficulté et effectivement, trouvons la solution ensemble. Mais vous voyez, le refus même de dialoguer, ils estiment que non, notre action, pourquoi vous ne nous avez pas appelé pour nous dire et négocions par rapport à la plateforme négative Ils vont voir si c'est politique ou bien c'est pas politique. Le dialogue, c'est le lien ici, non Oui, j'ai dit pourquoi Non, <laughs> ici, ici, on communique pour conscientiser effectivement les citoyens. Mais pourquoi ils n'ont pas tenté ça Au lieu de se cramponner et vouloir organiser une manifestation, une manifestation le 8 janvier qui, qui dépassait les maigres ce que nous avons et, faire transporter les, manifestants et les imposer à dire Taïtabchi. Vous savez, avancer... aujourd'hui, je vous informe, nous n'avons pas besoin de courir à, à travers pour dire aux populations de sortir. Eux-mêmes, ils vont sortir. Même si nous ne portons pas cette manifestation, les populations d'eux-mêmes, ils vont sortir et dire Taïtabchi. Donc, il faudrait que les gens comprennent. Pour avancer, est-ce que vous pensez que la manifestation du samedi dernier a réussi. Et, ils le savent que la manifestation du samedi dernier a, réussi parce que je vais vous dire une chose. Quand on a commencé à se regrouper, le ministre de l'Intérieur Bazoum, il était des passages il a passé deux fois. Et après, quand on s'est retrouvé au niveau de la place de la concertation, il était monté sur l'étage de la sécurité. Effectivement, il, regardait la manifestation et il a vu la foule qui était sortie. Et quand ils ont dit qu'il faudrait qu'on manifeste le samedi matin ou bien le dimanche matin, c'est juste pour caresser l'élan de mobilisation. Et nous avons compris que même si c'est à minuit, qu'il pleuve ou qu'il neige, quel que soit le climat, le peuple est prêt à sortir et effectivement à dire non à euh, la façon dont le Niger est gouverné, la, euh, la mal-gouvernance, à dénoncer ces genres de travers qu'aujourd'hui ils sont en train d'instaurer la liberté, la liberté des manifestations est mise en, rude épreuve parce qu'ils savent ce quoi une manifester. Ils savent c'est quoi marcher parce qu'ils l'ont fait avec nous, je vous ai dit, au moment où ils étaient à l'opposition. Donc, je pense même que ce que nous, nous leur demandons, de s'asseoir sur une table et de voir comment trouver des solutions, ils ont, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont défaillants. Leur défense, qu'ils reconnaissent qu'ils sont défaillants par rapport à la gestion de l'État. Et, puis, qu'on puisse, puisse se, regarder. nous sommes tous des Nigériens. Il faut que les gens comprennent que nous sommes tous des Nigériens. Il ne faut pas essayer de stigmatiser les gens qui disent que Taïtouri. Taïtaouri, c'est rien. Euh, on va revenir. Siraj Issa, vous, représentez, vous représentez, êtes euh, du, du MPR Jamoura, vous représentez ici la majorité. Est-ce que, euh, comme il est dit, est-ce que vous acceptez de dialoguer Qui a une fois refusé de dialoguer Ils sont là. Personne n'a refusé le dialogue. Est-ce que vous les avez appelés attends, il y a un processus, donc, et c'est de procédure. Quelqu'un qui a choisi de crier dans la rue, quelqu'un qui choisit de créer un mouvement insurrectionnel pour chasser le régime en place, quelqu'un qui a planifié ses stratégies pour complètement casser tout et créer le désordre. Comment voulez-vous à ce qui cet interlocuteur-là, qui cherche comme ça à ce que le régime tombe Est-ce que vous croyez que honnêtement, c'est discutable avec ces genre de personnes Moi, je suis certain. Lorsque la société civile, même demain, élaborera une plateforme revendicative purement sociale, qui ne contient aucun caractère politique, le gouvernement, je suis certain, sera disponible et est disponible à dialoguer avec la société civile pour trouver une solution par rapport à un certain nombre de malaises sociaux dont ils ont sélectionné ou bien dont ils ont identifié. Donc ça, c'est point de vue. Moi, je vous dis, à chaque fois, lorsqu'on fait recours donc, à un parti politique de l'opposition pour rapidement mobiliser la, la, la, ne population, je ne vient pas. Dans toute démocratie, il n'y a aucune démocratie à sens unique. Il y a l'opposition, il y a la majorité. C'est très clair, il y a ceux qui apprécient, il y a ceux qui n'apprécient pas. C'est comme ça et ce système, il faut que ça soit tel pour que le bon fonctionnement de la démocratie puisse être une réalité au Niger. Mais ce que nous ne voulons pas, ce que nous ne voulons pas, ce qu'un certain nombre des acteurs de la société civile soient manipulés par l'opposition pour faire un combat de sous-traitance purement politique. Voilà ce que nous dénonçons. Ce n'est pas que ceux qui disent là, que non, c'est totalement faux. Non, personne n'a dit que ce n'est pas totalement vrai il y a un aspect, il y a des aspects un peu de vérité qu'ils ont soulevé. Lorsque, euh, par exemple, ils parlent de, la lutte contre la corruption, c'est une réalité. Tout le monde dit qu'au Niger, tous ceux qui ont détourné le système éducatif depuis la création de l'État du Niger a des difficultés. Personne ne va dire que tout est nickel, c'est 100%. Mais lorsqu'il y a des difficultés, vous, en tant qu'acteur de la société civile, quelle sera votre contribution pour que le système éducatif, donc nigérien, puisse fonctionner correctement pas de venir comme ça à chaque fois utiliser un, de deux pôles pour complètement détruire tout. Ce n'est pas bien, c'est ce que nous voulons à ce, que les acteurs de la société civile comprennent aujourd'hui. Ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas dans l'agitation, ce n'est pas dans la haine, ce n'est pas dans, un combat insurrectionnel qu'on va euh, améliorer les, de la gouvernance. Quelle euh, réponse est-ce que la majorité au pouvoir compte apporter euh, quand même à ce qui certaines revendications qui vous paraissent les, revendications de la société civile donc moi, je, je, je pense que lorsque ça, ils vont enlever les, les aspects politiques là, je suis certain que le gouvernement va dialoguer avec la société civile par rapport à un certain nombre de points euh, qu'eux-mêmes ils ont décidé d'évoquer. Par rapport au système éducatif, vous avez vu comment cette question est une préoccupation du gouvernement. Le Premier ministre a instruit euh, tous les ministères en charge de, l'éducation nationale euh, pour discuter, trouver ensemble avec les syndicats le problème du système éducatif nigérien. Vous avez suivi le ministre de l'Éducation nationale lui-même. Il a fait une étude diagnostique pour constater que le système de l'enseignement, ce n'est pas au niveau des élèves, non, même au niveau de ceux qui dispensent le cours, c'est-à-dire les enseignants. Il y a des problèmes. Il faut qu'ensemble, on reste ensemble pour regarder qu'est-ce qu'il faut corriger. C'est bien sûr, c'est pour cela que le gouvernement fait euh, vraiment beaucoup d'efforts pour instruire tous ceux qui sont en charge de ce secteur de réfléchir avec euh, la société civile responsable, c'est-à-dire les syndicats et ainsi de suite, pour trouver des solutions par rapport aux problèmes euh, des secteurs ciblés. Voilà ce que nous souhaitons, c'est que les acteurs de la société civile puissent revenir sur Terre, là ce n'est pas facile au Niger. Ce n'est pas possible de penser qu'à travers, comme ça a réussi. Vous me permettez une seule seconde. Ils ont vu. C'est la plupart, c'est des camarades, on les, connaissait depuis, depuis longtemps. Il y a d'autres depuis les lycées, d'autres depuis l'université. Penser peut-être qu'un régime peut tomber comme ça à travers des manifestations, c'est une illusion. Franchement, il faut qu'ils acceptent que ce n'est pas cette formule. Ce n'est pas à travers des gens qui sortent comme ça pour souhaiter le, le malheur ou bien les catastrophes pour notre pays. Ce n'est pas ce genre de personnes avec qui on peut construire un Niger nouveau. Il faut qu'il accepte de réintégrer la société, il faut qu'il accepte d'être sur terre pour que leur prise, pour leur préoccupation, c'est-à-dire un certain nombre Nous de allons revenir à vous. Michael Zodi, coordinateur euh, national euh, de Tournons, la page juste, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, vous-même, vous avez constaté les fruits. Maintenant, quand on est en train de faire ces manifestations-là, ils estiment qu'on veut les renverser. Donc, ils sont obligés de s'asseoir et d'arranger ce que nous sommes en train de dire normalement. C'est objectif. C'est notre objectif. Maintenant, ils ont j'ai dit bien, aujourd'hui, ils ont peur. Notre objectif, c'est de les faire peur. Et aujourd'hui, vous avez constaté le discours, le nouveau discours de Siraji. Il faut revenir sur le terme insurrectionnel. Le terme insurrectionnel est revenu plus de 9, 10 fois ici dans ce débat, dans sa bouche. Donc, ils vont s'asseoir peut-être. Maintenant, ils ont compris que le danger les guette. Parce qu'aujourd'hui, un peuple qui a faim, est capable de tout. Un peuple qui voit l'injustice est capable de tout. Un peuple aujourd'hui, ah. Siraji, vous pensez que aujourd'hui, euh, euh, euh, ça aurait été que c'est vous qui êtes à l'opposition, vous allez être derrière nous parce que ça ne va pas. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas vous assurer. Et ce qui m'écœure, Je constaté que Siraji n'a même pas lu effectivement notre plateforme négative pour comprendre ce qu'il y a dans cette plateforme Il n'y a rien de politique. Vous l'avez remis aux autorités Mais des gens, qui se sont euh, euh, euh, barricadés derrière des portails sur des, de goudron, comment est-ce qu'on peut même les voir Vous, avez constaté quand le président de la République sortait ou bien le premier ministre sortait, le dispositif sécuritaire qui était là, où est-ce que le peuple pouvait accéder au président de la République Ils nous ont empêchés. Ils nous ont empêchés, mais par voie médiatique, à travers vos micros, nous avons effectivement détaillé notre plateforme éducative. Et ils ont compris. Je pense même qu'ils vont prendre des dispositions pour régulariser cette question-là. Pour que nous Quels sont les Aujourd'hui, je vais vous dire une chose il y a un penseur qui disait, pour, euh, pour détruire le peuple d'un pays, vous n'avez pas besoin de prendre des armes chimiques et autres. Il faut détruire le système éducatif. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas euh, euh, le problème des enseignants, mais ils ne mettent pas les finances ils ne mettent pas le budget nécessaire pour que l'éducation puisse, puisse marcher. Ils préfèrent effectivement euh, prendre le budget pour leur propre fonctionnement et avoir des voyages. Je vais vous dire, je vais vous dire du, 1er janvier à aujourd'hui. Vous savez combien de fois le président de la République a voyagé Dites-moi. Dix fois. Il a voyagé dix fois. Euh, donc, vous savez, chaque voyage, combien ça coûtait c'est pour vous dire qu'au lieu de penser à régulariser euh, euh, les secteurs sociaux de base, comme la santé, comme l'éducation, non, les gens préfèrent effectivement jambiler dans les avions et, dépenser l'argent du contribuable. Et moi, Michael Zodi, vous avez fait une manifestation. Dites-nous quels sont les effets concrets que vous, vous attendez de, euh, les effets concrets que nous attendons, nous, voulons effectivement euh, ceux qui sont en charge effectivement les autorités en charge de ces pays-là se regardent dans la face et créent les conditions pour que effectivement nos problèmes soient réglés. C'est-à-dire euh, ce problème de la corruption, ce problème de, trauma traitement des données publiques, ce problème éducatif, de la santé. Rien ne va au Niger si on regarde. Juste, les gens sont là en train de... Vous avez constaté que le ministre des Finances a dit qu'il n'y aura plus d'investissement parce que ça ne va pas. nous sommes encastrés dans une morosité économique parce qu'il y a tellement de détournements d'objectifs, il y a tellement de détournements de données publiques, rien ne marche. Nous, en tant que citoyens, nous voulons, nous, nous euh, euh, voulons à ce que on crée les conditions pour que mon enfant aille à l'école. On crée les conditions pour que mon enfant, quand il est malade, qu'il soit soigné. On crée les conditions que son papa, effectivement, soit dans les conditions euh, d'avoir son salaire. C'est juste ça qu'on demande. On ne demande pas le pouvoir et nous ne cherchons pas le pouvoir. Mais maintenant, euh, euh, aujourd'hui, ça me réjouit, je, me réjouis de constater que l'opposition politique compte même sortir le 25. Et nous verrons ce qu'ils vont faire. Elles aussi vont faire leur activité politique comme, comme les l'opposition compte sortir le 25 prochain. Donc, je pense bien qu'elles aussi vont faire leur activité politique et répondre à la majorité. Nous nous retirons effectivement euh, entre les deux, mais juste nous voulons assez que nos revendications. Là, euh, tu ne peux pas me dire le contraire. Proposez alors le, dialogue. militaire n'était pas sorti le jour-là. Nous proposons le dialogue et nous sommes pour le. Euh, c'est pour ça qu'on a préparé un mémorandum spécifiquement pour transmettre au chef de gouvernement pour qu'on puisse dialoguer, on puisse trouver des solutions. Et dans ce mémorandum-là, je vous en tiens bien parce que nous, nous sommes une société civile responsable et nous avons même élaboré des pistes de sortie. Nous avons élaboré des pistes de sortie des crises. Tout ça là, nous voulons proposer. Nous, nous voulons même les aider à bien gérer ce pays-là pour que tout le peuple soit content effectivement de leur gestion. Peut-être est retombé, c'est à eux de prendre les retombées parce que nous, nous ne cherchons pas de suffrage. Siraj Isaka euh, d'Imper Jamouria, ouais. est-ce que vous êtes prêt, comme il l'a dit, puisque euh, si on reconnaît qu'il y a un certain nombre de, de questions à régler, est-ce que vous êtes prêt à accepter de rester euh, sur comme je vous ai dit, c'est absolument vrai que le gouvernement est disponible à dialoguer avec la société civile responsable. Écoute, s'ils acceptent d'enlever de leurs revendications et de leurs agitations, de leurs agitation, au leur c'est un point de, qui, qui, attends, attends, merci. Par exemple, quand vous avez entendu le réquisitoire du président Michael sur le système éducatif, il oublie systématiquement les investissements mm, que personne n'est ni dans ce pays, les constructions des salles de cours, des salles de classe, à milliers, à milliers, d'étages. C'est une première fois au Niger. Moi, franchement, ce n'est pas pour venir faire l'apologie. Non, nous voulons que le gouvernement puisse avoir le courage de continuer ces réalisations-là. Si lui, c'est un géographe, il a vu la quantité de jeunes Nigériens qui ont été recrutés dans le secteur éducatif voyez les investissements non mm. sur le plan matériel, sur le plan de l'enseignement, la, la, proposition au de, la prise en charge. Il y a des, de problèmes de, salaire, il y a des problèmes de, qualité. dans quel secteur Une fois vu un salarié dans ce pays, coupure de pécule. C'est à leur niveau, c'est des syndicats. C'est des revendications que les syndicats de l'éducation posent. Vous parlez des coupures de, pécule. Souvent, c'est à leur niveau, puisque à un certain temps, j'ai entendu beaucoup de, sous-syndicats de ces secteurs qui ne sont pas d'accord avec le merta d'ici, des syndicalistes là qui sont en train de vouloir couper le peu de pécule comme ça des anciens contractuels. Ça, c'est évident, c'est entre eux. On rentre pas dans cette euh, sauce-là. Écoute, deuxièmement, deuxièmement, deuxièmement, attends, attends, vous allez, réagir sais très bien de, rapidement. Deuxièmement, lorsqu'il parle du voyage excessif du chef de l'État. Mais le président de la République, s'il vous plaît, il faut me donner, bah. il ne faut pas être pressé. Si vous posez une question, attendez, on vous donne la réponse. C'est mieux au, moins de couper la parole. Donc lorsque vous, elle parle de, de, voyage en quantité du président de la République, mais il faut que le chef de l'État voyage pour négocier beaucoup de choses pour le pays. Vous avez constaté les retombées avec l'Union européenne suite au déplacement du chef de l'État. Ce n'est pas dans sa poche, va mettre, ça va aller au trésor public. C'est des milliards de francs CFA qui sont rentrés. Et ces efforts-là du président de la République sera continué et beaucoup de choses vont tomber pour le compte de notre pays au bénéfice de la population. Ça, il faut qu'il se tranquillise. Le fait de voyager, c'est pour le bon du pays que le président de la République prend son temps pour exploiter ses connaissances, tous les raisons donc, internationaux pour faire en sorte que euh, le Niger soit un pays attractif. Parce que lorsque le pays n'est pas connu, il n'y a personne qui va venir investir ses capitaux dans un pays inconnu. Donc il faut que le pays, le Niger, soit une destination merveilleuse pour que ceux qui détiennent les capitales puissent s'intéresser au pays et venir investir créer la richesse, créer l'emploi, faire en sorte que le jeune chômeur puisse trouver du travail, c'est ça l'objectif et c'est ça l'ambition du président de la République. Et nous voulons à ce que le, la société civile, les mots que nous accompagne dans cette démarche, de venir intégrer cette marche dynamique qui fera en sorte que le pays soit, soit un pays attractif. Pas un pays de la contestation, parce que un pays qui, à chaque fois comme ça, à l'intérieur de quel des acteurs de la société civile qui souhaitent de putsch, qui souhaitent de coup d'État. Personne ne viendra investir. Il nous reste cinq minutes, nous séparent de la fin de cette émission. Nous allons revenir à vous. Juste, je vais m'inquiéter. parce que j'ai compris que dans le système au niveau de la majorité, l'information ne passe pas. Vous avez constaté, il a parlé de, de, de, de ce que le, président de la République était parti chercher à l'Union européenne où on disait 10 milliards de caissables. Et je vous informe, ça va les surprendre peut-être. que c'est le 11e fait C'est de l'argent déjà consommé. C'est juste pour régulariser. Cet argent-là n'existe pas. Sinon, ils allaient convoquer une session extraordinaire de l'Assemblée pour remettre ça dans le budget. Juste pour t'informer que c'est de l'argent déjà consommé. C'est le 11e fait. Déjà, nous sommes dans le 12e fait. Cet argent-là n'existe pas. Donc, juste les gens voyagent, ils, vont tourisme, ils font leur tourisme, ils reviennent. Donc, c'est de l'argent du contribuable que les gens Quelle perspective Quelle perspective pour la perspective est que La perspective est que qu'ils reviennent sur Terre que ces dirigeants reviennent sur terre et qu'ils comprennent qu'effectivement, ils sont avec un peuple conscient, qu'ils comprennent effectivement ce que cherche le peuple. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, ils se disent des socialistes, ce sont des socialistes qui sont au devant de ces pays-là. Mais je vous informe qu'ils amènent leurs femmes pour accoucher en Europe pour qu'ils aient une double nationalité. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ces socialistes-là qui aujourd'hui, ils ne voient même pas, ils ne regardent même des pas. Perspectives de sortie de crise. Les perspectives de, de sortie de crise. Je vous ai dit, nous avons commencé à sortir. Et il y a plusieurs stratégies des manifestations. Il y a plusieurs stratégies de combat. Et nous allons continuer, nous allons continuer à faire ce combat-là jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison, qu'ils voient les problèmes que le Nigerien rencontre, qu'ils créent les conditions. Vous avez constaté, au lieu de, voir les problèmes, ils disent que non, on a construit de tel bâtiment, tel bâtiment. Alors qu'ils reconnaissent qu'il y a un problème au niveau du secteur éducatif, malgré ces constructions. Et il n'y a pas un État, il n'y a pas un régime qui a eu assez de moyens pour faire développer le Niger comme le, régime de Issoufou. Et les gens sont là. et et, nous nous rappelons certains, certains des acteurs qui, à l'époque, n'arrivaient même pas à payer leurs factures. Leurs factures, leur facture vous, de, vous avez Aujourd'hui, se retrouvent avec des milliards. De Où ils, ont trouvé, ils ont le milliard là Et ils ne sont pas des fabricants de billets. Ils ne sont pas, ils n'ont pas hérité. Ah, ah, ils ne sont pas des commerçants au grand marché. Ah. Mais aujourd'hui, ils distribuent des milliards. Ils circulent avec des milliards. On est en train de... de et le peuple le voit. Et, le, peuple attire leur attention par rapport à ces questions-là. Siraji Isaka du MPR Jamouria, rapidement, quelle perspective pour vraiment euh, sortir euh, de crise Heureuse, moi, moi, mon souhait pour notre pays, il n'y a aucune crise. Il ne faut, pas, il faut pas amener là où il n'y a pas de crise comme ça. Ça, c'est le sobriquet concept pour s'entendre, des acteurs de la société civile de l'opposition. Il n'y a pas de crise pour envisager une sortie de crise. Crise par rapport à quoi Nous voulons simplement amener les acteurs de la société civile à faire un combat purement de la société civile. C'est-à-dire observer, critiquer la gouvernance lorsqu'il y a des défauts et à proposer des, des, améliorations dans la qualité de la gouvernance pas de se substituer à des. Moi, j'ai je, suis, beaucoup de respect pour eux, mais je suis désolé. Moi, je suis dans les regret de constater certaines, euh, certaines personnalités se rabaisser pour faire euh, de la sous-traitance de combat des acteurs politiques bien connus de l'opposition. C'est bien dommage. Nous les invitons vraiment à circonscrire leurs actions dans le cadre purement social et ils verront certainement que le gouvernement va apporter, va apporter une réponse favorable à leurs revendications. Ce que Merci. Nous vous réinviterons une prochaine fois quand vous vous serez mis d'accord pour dialoguer dans l'intérêt supérieur du pays. C'est ici que prend le forum du studio Kalangou. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que nous étions avec Michael Zodi, coordinateur national de l'organisation Tournons la page TLP Niger et Siraji Saka, chargé à la communication du bureau politique du MPR Jamouria. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence, pour le forum de la presse. Bonsoir.